d'être 11h et partout au Niger, chers auditeurs, auditrices, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela Ousseni, alias Seno, et avec moi, Rukayatou Abdurrahman pour la présentation. Bonjour Rukaya. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. Alors Seno, on fait un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté du studio. À la technique, c'est Mustafa Yuba et à l'édition Adama Dawaki. Alors Seno, quel est le menu du jour eh eh bien, Rookie, il y aura le flash d'information pour débiter de la bonne musique nigérienne et d'autres divertissements comme le loti, le sport, la culture linguistique, sans oublier la revue de presse de chaque vendredi présentée aujourd'hui par Mokhtar Hamadou. Dans la rubrique Invité du jour, nous recevons M. Hamani Dari, le responsable de l'ONG AEDD Agir pour un environnement et un développement durable. Avec lui, nous parlerons des causes et conséquences de la présence massive de déchets plastique au Niger. Ensuite, l'écho des régions nous conduira à Zender, précisément à Tanout, pour parler de Asakam, Sakam, un berceau traditionnel. Installez-vous confortablement et c'est parti. Sans trop tarder, voici euh, le flash d'information avec euh, Nafissa Adamou Sirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Ricky, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Aujourd'hui s'ouvre à Niamey le forum international sur l'espace civique organisé par l'association Tournant la page Niger. Ce forum qui va regrouper plusieurs pays de la sous-région du 2 au 4 juin à Niamey sera une occasion pour les participants de réfléchir sur une synergie d'action pour un meilleur espace civique des citoyens. Le salon de l'étudiant organisé par le campus à France se tient les 1er et 2 juin 2023 à Niamey. Cette rencontre regroupe plus de 50 établissements d'enseignement supérieur du Niger et de la France. Il se donne comme objectif d'informer, de guider les lycéens et les étudiants de leurs aspirations, leur parcours académique et professionnel face à un monde moderne qui ne cesse de diversifier et de spécifier l'offre de formation. Enfin, à Agadez a été lancée hier la deuxième édition du festival scolaire et le prix de l'excellence sous le thème Cohésion sociale, paix, sécurité et civisme. Une initiative des autorités régionales qui vise à promouvoir les valeurs de vivre ensemble. Durant quatre jours, c'est environ 40 élèves de plusieurs écoles primaires d'Agadez qui vont compétir dans plusieurs disciplines culturelles, sportives et surtout dans l'excellence. C'est la fin de ce flash. Merci Nafissa pour ces informations du matin. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons Monsieur Hamani Dari, le responsable de l'ONG AEDD, Agir pour un environnement et un développement durable. Et avec lui, nous parlerons des causes et conséquences de la présence massive de déchets plastiques au Niger. Bonjour Hamani, merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous aujourd'hui en prélude en prélude de la célébration de la journée mondiale de l'environnement le lundi 5 juin. Mais en attendant de nous en dire plus, savourons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Exactement, c'est nous et je vous propose Rankatakap de Didier Mastataf et Shoba. On écoute. samari ba sai dai kumbure kuwa sai mu dai za mu ci gumin mu. Rakataka, tuguminka, rakataka, malam tuguminka, rakataka, haba tuguminka, rakataka, ka, ka, rakataka. A akwana atashi tashi shi dan yaro sai ya girma. Yaro ya girma. Allah ne ya mu da kanshi in ku na uban ku ne sai ku amshi. Allah ya yi abu. Da kuɗi na in ci gumina. Sai da kuɗi. kuɗi na mota babban mota kuɗi na dubai in Maka, makka in je turai wanda zai hana ni sai ku bar ni in more dole in more in tashi Omar haka muke rakataka mu haka muke rakataka mu barin ta ta kwana kina in bari a raina ni gobe haka muke rakataka ajiye ibe ba ji rakataka malam anawar aboki ya so mataka in ba shege ne wasu ko sauran besu da kin juya baya su nemi mijinki wasu mata ai sun ban kunya wasu mata ai ba na kware ba wasu maza ko sun ban kunya wasu maza ko ba na kware ba hasiba koyo ni madori ni kanga wanda wani fakare ni wanda goni sani karnuka ne duka su bar su ta haushi aba delu a bar haka ba mu son haka aba tanko ka bar haka ba mu son haka delu ki bar haka ba mu son aba tanko ka bar haka ba mu son haka kai gaskiya wa'anda sun ban kunya ina an ware harkar kawai ba su da aiki sai sagar bi su ma da ihun koyoyo shoba ya mu je everybody koyoyo oh, ko mai kaca nake oh, oh, kowa ya sha da ni rabon shi kumna yanda aka iya da ni na zo Muhammad Algu ya zo Pablo Nadawa ya wuce Big Boss Bakanda ya zo Babam ina kake Nadia Mas ka zo Hawa Karambeta Lana Sosik Zainaroni ci ga xl ta zo la famille sun zo fadin matrix kuma sun zo les amis temporaires kwarai ko duk mutanenmu ne suna tare da mu wayanda ba mu gani ba ɗan hagu ne kawai makiyanmu wai ina kiyanmu ina suke muna so mu gansu hmm, ina suke ba su san mu ba su san mu ina suke amma ya Allah yarda sai mu yi magana ina suke Et oui, c'était là le titre euh, Cap euh, de DJ Mastertaf euh, et Shoba. Chers auditeurs, ce sont sortis il y a juste un mois à plus de 17 000 vues sur YouTube. Dans ce morceau, Shoba chante pour les jaloux et envieux. Retour au studio avec Dari, Vous avez aimé ce son, j'espère. <laughs> Super. Je rappelle que Hamani est un environnementaliste et il est coordonnateur de l'ONG AEDD Agir pour un environnement et un développement durable. Alors pour commencer, Monsieur Hamani, parlez-nous hein, succinctement de l'apport de votre organisation dans la lutte contre le changement climatique. Euh, bonjour, Studio Colombo. Notre organisation AEDD Agir pour un environnement et un développement durable mhm. a pour mission la préservation de l'environnement, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Donc c'est une organisation qui a été créée en 2018. Nous avons eu l'agrément 719 du ministère de l'Intérieur en 2019 qui nous permettra d'agir sur le terrain du territoire national afin d'apporter notre apport dans la contribution de la préservation de l'environnement. Et eh, monsieur, selon vous, qu'est-ce qui peut provoquer la présence massive de ces déchets plastiques-là au Niger et quelles en sont les conséquences La présence des déchets plastiques au Niger est due à l'action humaine. Si je dis à l'action humaine, il y a euh, l'installation des industries qui produisent des déchets. Ensuite, euh, l'utilisation des, déchets plastiques par euh, le, ménage aussi, et qui envahit, prolifère et au niveau du paysage et de l'environnement. Donc, euh, la présence de déchets plastiques est due et à l'action humaine, ce qui fait qu'aujourd'hui, on sent que eh, la pollution, il y aura la pollution des déchets plastiques un peu partout et dans les centres urbains. Donc euh, la présence des déchets plastiques est due à notre comportement, l'utilisation unique des sachets au niveau euh, des marchés, au niveau des ménages, un peu partout, même dans les services, ce qui fait qu'aujourd'hui on va voir un peu partout dans les agglomérations des centres urbains, vous allez voir des tas euh, de déchets, et des nids de déchets un peu partout aux alentours de la ville du Niger. Et quelles conséquences cela peut entraîner euh, cela a beaucoup de conséquences euh, sur la vie humaine, sur la vie des, euh, la vie des écosystèmes en, général, qui est la vie humaine, la vie animale et la vie sanitaire. Aujourd'hui, si je parle de la vie animale, aujourd'hui, la présence des déchets va créer quand les animaux vont se proliférer au niveau des paysages là où il y a les déchets. Mhm. Ils vont euh, euh, brouter les déchets là, qui mhm. vont créer des problèmes gastriques et qui vont conduire qui vont conduire à la mort des, euh, des animaux. Au niveau de la vie humaine, aujourd'hui, notre environnement est très pollué. Donc si l'environnement est pollué, même l'air dont nous respirons n'est pas un air pur, donc on ne peut pas euh, respirer en tant que tel et on sent que vraiment l'environnement ne peut pas être euh, euh, vivable. Donc c'est pour cela et cela a pour conséquence au niveau de la vie humaine. Au niveau de la vie sanitaire, au niveau de la présence des déchets, on sent qu'il y a la présence des moustiques, euh, mhm. la présence des moustiques euh, euh, qui va créer au niveau de la maladie qu'on appelle le paludisme. Et le paludisme a pour conséquence sur la vie humaine qui va engendrer même des morts. Donc on peut dire que la prolifération de, déchets plastiques a beaucoup de conséquences sur mm. notre environnement. D'accord. Eh Alors, euh, que prévoyez-vous de faire à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin, c'est-à-dire le lundi Comment ça va se dérouler Oui, le 5 juin, lundi 5 juin 2023, notre organisation a prévu une activité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire on donne le micro à tous les internautes, à tous les acteurs qui agissent sur les réseaux sociaux afin d'apporter leur contribution dans la préservation de l'environnement en agissant comment et pallier ce problème qui est la pollution des déchets plastiques. Parce que c'est pour cela que nous avons fait un flyer sur notre page euh, Facebook que nous avons partagé avec euh, euh, un peu partout sur les différents canaux de réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit en, Facebook, en Twitter, ainsi de suite, pour dire aux internautes, il faut agir, commenter et partager notre flyer pour apporter votre contribution dans la lutte contre euh, la pollution des déchets plastiques. Parce que c'est un phénomène qu'on sent que vraiment les gens ne discutent pas. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Hmm. C'est un sujet que ça euh, doit être un sujet national et international pour que chacun de nous, en tant qu'acteur, doit agir pour lutter contre euh, la prolifération des déchets plastiques qui créent la pollution de notre environnement. Alors, euh, avant de continuer nos échanges sur euh, la pollution des déchets plastiques au Niger, suivons la revue euh, de presse avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Seno, bonjour Rocky. Bonjour. Alors Mokhtar, élection législative partielle de la diaspora cinq sièges à pourvoir pour euh, la cinquième, pour la neuvième région, excusez-moi, pour la neuvième région, titre l'hebdomadaire nigérien d'information Niger Inter. Oui, c'est nous. Le journal a annoncé le début de la campagne électorale pour les élections législatives partielles de la diaspora à compter du dimanche 28 mai jusqu'au 16 juin 2023. La tenue de ces scrutins euh, le 18 juin prochain permettra l'élection des représentants de la diaspora nigérienne à l'Assemblée nationale considérée comme la neuvième région du Niger. Au total, 227 289 électeurs sont inscrits dans 15 pays pour 5 sièges sur 171 que compte l'Assemblée nationale. Ces élections initialement prévues en 2021 ont été reportées en raison de la pandémie de la COVID-19 euh, qui n'a pas permis l'enrôlement biométrique des Nigériens à l'étranger. Euh, pour ces consultations électorales, euh, dix partis politiques sont en compétition, précise le journal. Refoulement de migrants sur Asamaka, l'aveu d'impuissance de Bazou Mohamed à la une du quotidien privé nigérien, l'enquêteur de ce vendredi 2 juin Eh bien, Ruki, le journal nous apprend que le président de la République, Bazoum Mohamed, n'approuve pas du tout le refoulement régulier des vagues de migrants clandestins de leur territoire par les autorités algériennes en direction de la localité d'Assamaka. Il l'a clairement fait savoir dans une interview qu'il a accordée euh, récemment à, Jeune Africa en répondant à cette question du journaliste et je cite À des milliers de migrants refoulés d'Algérie où ils sont parfois ils ont parfois été dépouillés de tous leurs biens, s'entassent euh, dans des camps de fortune dans la localité d'Assamaka, à la frontière entre les deux pays. Euh, dialoguez-vous sur ce point avec les autorités d'Alger Fin de citation. La réponse du chef de l'État nigérien fut euh, ce n'est pas acceptable parce que les autorités algériennes ne peuvent pas continuellement faire de notre pays un déversoir de migrants irréguliers arrêtés sur leur territoire euh, sans distinction de nationalité. Euh, tout le monde est d'accord sur cette position de principe. Signature d'un mémorandum d'entente entre le Niger et le groupe chinois Sinopec vers un avenir radieux pour l'industrie pétrolière au Niger. Titre l'hebdomadaire La roue de l'histoire. Oui, c'est non. D'après le journal, c'est cette société très expérimentée qui a approché le Niger pays qui dispose d'énormes potentialités en ressources minières pour lui apporter son expertise, surtout que le pays va commencer à partir de 2024 à exporter une quantité importante du pétrole brut avec la finalisation très prochaine du pipeline Niger-Bénin long de 2000 km. Le ministre du Pétrole, Mohamed Sani Mahamadou, a annoncé que pour le Niger, ce partenariat avec Sinopec est une opportunité de développer notre secteur pétrolier, de créer des emplois pour nos concitoyens, d'accroître notre sécurité énergétique et de promouvoir le développement économique. Ce partenariat nous aidera donc à poursuivre la transformation de notre vaste potentiel pétrolier conformément aux objectifs fixés par le président de la République Bazoum Mohamed qui a décidé de faire de ce secteur le moteur de l'économie, a indiqué le ministre du pétrole. Et c'est la fin de, cette revue de presse de ce vendredi 2 juin 2023. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues euh, Seino et Ruki. Merci infiniment, Mokhtar. À la semaine prochaine. Poursuivons avec notre invité du jour, M. Hamani Dari, coordinateur de l'ONG AEDD, Agir pour un environnement et un développement durable. Alors, Monsieur Hamani, votre activité se passera sur les réseaux sociaux. Dites-nous comment y participer et de votre côté, comment pouvez-vous mesurer l'impact de votre activité Oui, l'activité que nous menons le 5 juin 2023 sur euh, la pollution des déchets plastiques euh, aura beaucoup d'impact sur euh, la réduction de la pollution par les déchets plastiques. Parce que à mm. partir des réseaux sociaux, on pense que c'est un canal de communication, c'est un canal de sensibilisation. Ça permettra que ça soit jeunes, femmes, ou bien acteurs qui œuvrent dans le cadre de l'environnement doivent agir à partir de réseaux sociaux pour passer notre message, mhm. à partir de notre flé à dos nous avons fait sur notre page mhm. pour dire qu'est-ce que moi en tant que citoyen, mhm. qu'est-ce que moi en tant qu'acteur jeune, je dois apporter pour réduire la pollution des déchets plastiques qui menacent notre environnement. Donc euh, on pense que cette activité aura un impact très positif sur les réseaux sociaux afin que ensemble on peut préserver notre environnement. Mm. Parce que on passe, parce que nous avons dit sur notre flair commenter et partager mm-hmm. quelles sont les solutions des, déchets plastiques. Donc, quand on, partage, on doit commenter qu'est-ce que toi, en tant qu'acteur, je dois apporter comme solution pour réduire euh, euh, la pollution des déchets plastiques. Mm. Alors, comment, comment y participer Pour participer à cela, euh, vous allez euh, venir au niveau de notre page euh, Facebook AEDD. Mhm. ou bien sur la page Facebook de M. Amani Dari, vous allez voir notre flyer. Mhm. Donc, vous allez partager ça et commenter et votre, pour amener votre contribution. Ensuite, nous travaillons dans un réseau international qui regroupe plus de 1000 acteurs d'organisations, associations, entrepreneurs dénommé Fier des ODDD. C'est un forum international euh, éclaté, régional, qui regroupe des milliers d'associations Donc, euh, sur cette page aussi, notre frère se trouve. Donc, euh, vous pouvez travailler et taper, Fier des ODDD. Vous allez voir notre frère. Vous pouvez partager avec vos collègues sur votre page ou bien partager avec sur d'autres réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, WhatsApp, Link, ainsi de suite pour que ensemble on puisse sauver notre planète. Alors monsieur Hamani, vous vous rappelez qu'en 2014 le Niger a voté une loi interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des déchets plastiques au Niger. Dites-nous qu'en est-il de l'application de cette loi Malgré l'adoption de la loi 2014-63 du 5 novembre 2014 interdisant la production, l'importation, la commercialisation l'utilisation et le stockage des déchets plastiques, sauf en cas de force majeure pour des raisons sanitaires, expérimentales ou bien scientifiques qu'on donne des autorisations exceptionnelles pour importer ou bien pour produire, pour utiliser les déchets plastiques. Malgré l'adoption de cette loi, il y a eu un décret de 2015 312 du 25 juin 2015. Malgré le décret d'application la loi souffre parce que la loi jusque-là n'est pas, le décret d'application de la loi n'est pas effectif. Donc, jusque-là, la loi souffre parce que, que ce soit les commerçants qui produisent, les entrepreneurs qui produisent, les industries qui produisent, ou bien les commerçants qui importent, ou bien nous autres qui utilisons les sachets plastiques, la loi nous n'a pas interdit parce que le décret d'application jusque-là n'est pas effectif. Donc pour cela, on sait que au Niger, les commerçants jusque-là importent, mhm. les, industries produisent, nous aussi on utilise, donc c'est pour avoir été sanctionné. Donc ensuite, euh, euh, on peut dire que la loi n'est pas effective jusque-là, malgré le décret d'application de 2000. 15 du 25 juin. D'accord. Alors, euh, vous avez évoqué les causes, vous avez parlé également des conséquences. Alors mm. maintenant, comment faire pour euh, remédier à cette présence massive des déchets plastiques au Niger Pour remédier, moi et toi, on doit avoir un changement de comportement. D'accord. C'est-à-dire, on doit avoir euh, une idée. Quand je vais au marché, je dois utiliser un objet à usage unique. Au lieu de quand je pars au marché, on me mes, besoins, c'est-à-dire ce que je vais acheter comme euh, euh, article dans un sachet. Je dois songer pour prévenir à ce remédier à ça, pour que je dois amener au marché avec mon panier ou bien dans les magasins avec mhm. un panier mhm. pour acheter un article. Ensuite, euh, pour remédier à ce problème, il faut que le Niger doit prendre un décret d'application parce que euh, le 27 janvier en 2022, ils ont tenté de réviser cette loi pour que ça soit effectif. Donc, euh, il faut que le politique agisse pour que cette loi soit effective afin de remédier à ce phénomène. Ensuite, euh, pour remédier à cela, il faut que on doit, donner la latitude aux ceux qui produisent de faire des déchets biodégradables, mhm. au lieu que ce soit des déchets à base de sachets à base de densité forte. Mhm. Il faut parce que les sachets à base de densité forte, leur composition, la durée de vie, ça va aller jusqu'à des décennies. Si je prends euh, euh, des, briquets de cigarettes, il faut 100 ans pour que ça se décompose. Mhm de, de, de, ce que nous consommons, l'eau à coma, euh, de l'eau. L'eau minérale, oui. L'eau minérale. Les, en bouteille. les bouteilles. Oui. Ça va faire jusqu'à 400 ans. Okay. Donc, nous serons les, les euh, statistiques officielles. Mm. Donc, euh, pour cela, moi, ce que je veux dire, mm. il faut que nous changeons de comportement. Mm-hmm. Il faut qu'on sensibilise, se sensibilise dans ce sens pour pallier à ce problème. Merci infiniment, Monsieur Hamani, de nous avoir honorés de votre présence et excellente journée à vous. Merci beaucoup. Rookie, c'est l'heure de... Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, Rookie, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Nous sommes vendredi et nous allons parler culture. Exactement, c'est nous. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au site des dinosaures. Indaman est un site de dinosaures dans la commune rurale de Kao, département de Tintabaraden, un site non protégé qui est aujourd'hui menacé par le pillage et la pression du bétail. les détails, excusez-moi, avec euh, hamadit Iden, gardien du site interrogé par Farid Bourema. Indama wani gari da yake gabashin kau e, kilo shida tsakanin shi da gari. Me yasa aka sanya sunan Indaman? da an ka samai sunan Indaman. Da barenu nan na suka cin gishiri. Turawa suna zakkuwa nan, suna ta yawo duci nan suna ganin shi amma ba su hada mana ba mu san shi ba mu amma nan na an kai hemu. Ne ko wani bature da ya zaka nan. ya yi shekara goma sha da yana zakwana yana kwashe duwatsun nan ya zo sai ya doki yara mantaka suna kamai duwashi sai da ya cika kyas-kyas kuma ashirin ko talatin haka ya tahi da su yanzu abin nan ya yi shekara goma ni ce yanzu wuri akwai mai gari kuma gari akwai meri ya ce min shi ba ruwan shi da meri wala mai gari shi da takardun shi an ka bincika bai da takardu an ka zo da shi an ka doke shi tawa sun kai wa da sun kai shi kasusuwan nan abin da ya lalace su bisa shi na kama yanzu in shanu sun biyo na babin da zai hana musu wata su wane ne ke kula da wannan wuri wani mutum ne mai zaman kansa ko kuma ofishin magajin gari ni ne nika kula da su aiki nan ba meri ta bani shi ba amma meri yanzu ga hannuna ta sashi tun da ni ne mai garin wuri ana zuwa kallon shi ana zuwa yawon bude ido muna so tallaha muna don mu samu inda za a yi musu makewi da za ba za su bata abinda zai sare su ko ta kiryash ko ta katanga ko ta wani shambur da za a tarsa kamar wasu kayan kallo ga su lalace kasa abubuwan gabatar babu su ya kamata adana su sa su wurin Fidèles auditeurs, nous allons encore souffler en musique. Je vous laisse apprécier le titre Together du groupe Ones. sit down, guys, in my yellow gown. I've been back out. auditeurs, veuillez nous excuser. C'était plutôt le son Yafa, Yafa qui veut dire pardon de l'artiste Yasdi Maywaka. Après cette belle sonorité musicale, chers auditeurs, direction Zander pour l'écho des régions effectivement, c'est nous, on va précisément à Tanout pour parler de Asakam Sakam, un berceau traditionnel fabriqué à la main avec du bois et des cordes. Et cela sert euh, à bercer les nouveaux-nés. Moussa Sidi Digali, forgeron à Tanout, déclare que l'utilisation de ces berceaux traditionnels tend à disparaître. Reportage Mansour Alassane depuis Tanout. A sakam sakam wani ɗan gado ne na galgajiya wanda makera suke yi da wasu itatuwa dan renon yara. Shi dai wannan ɗan gado na ɗauke da igiya biyu masu ba da dama a rataye shi domin shilla yaro ma'ana ba sai an ɗauki ɗan reno ba. Zuwan kayan zamani na barazanar da kayan galgajiya kamar shi wannan a sakam sakam. A cewar Sidi Musa wanda aka yi sani da suna Galli makeri ne a nan garin tanu A sakam sakam dai yanzu ya shiga halin kakaniki a har yanzu. Tunda da dai ana amfani da shi kwarai da gaske amma yanzu ya zamanto mutane sun rage amfani da shi sosai saboda gargajiyar tana son taɓace to amma shi a sakansako ko yana da mahimmanci sosai tunda lokacin da mace take da a sakansako ko to ba ruwanta da wani ɗan reno duk wani aikace aikacen sa na cikin gida za ta iya shinhuɗe shi kuma ta yi su lahiya lau in ka ji yayi kuka kawai yunwa ce ke ji a zo a ba shi nono shikenan ta koma aikinta shi a sakansa ko ana yin shi da wani abu da ake ce ma eh, kamar nobe yake amma kuma ba nobe bane wani abu abu ne wanda ake yin te sabar da shi irin ta buga shi to da shi ne ake yin shi amma yanzu masu kiwuya sun dan rage neman kayan aikin akwai su ba babu ba suke yin shi da wani santola haka su sa itatuwa to wannan yana ta kure yaro yana yana kawo matsaloli saboda kutsari bai iya tsagewa to amma shi wancan rariya gare shi ko da kutsarin yana wucewa kuma ya bushe nan da nan to ko kuna iya gaya mu menene yasa yanzu aka fasa unhwani da shi har yake neman ya zamanto ya kusa bacewa to mutane ne suka zama zamanto mutanen zamani amma mutanen nama yanzu haka mu na daji yanzu haka suna aiki da shi ba su hwasa ba to menene unhwanin shi ga yaro yana da unhwani kwarai saboda shi ita uwar ta samu huta shi kuma yaron ya samu huta yaro karami ma kana da shi kusa da kai in ka ce mishi rika shillawa yana shillawa kadan kadan haka yana kamar shillo iya kwance ya barcin shi da wannan na zamani da ake yi da wancan na da wanne ne ya yi karbuwa a ganin ku a na da yahi yanzu haka mu kamar irin na da yanzu tsayin namu da sun ji an ce wance ta aihu to su wannan tsahin aikin su ne kuma kama abin murna ne sai su nemi wannan abin da ake yin asa kansu ko irin na da su yi shi su kai shine kadon su na fari rabi mustafa mai amfani da wannan dan gadon na galgajiya tana mai jin daɗin amfani da shi wallahi askan sako yana da muhimmanci sosai saboda shi askan sako in ka saba da shi ba ruwanka da dan raino kuma yaro an ana yawan ɗaukan shi ma ana shagal shagaltu da shi ciwon shi ke amma iya saba da askan sako ya ya askansa in ka dauke shi ma ya hisan ka aje shi ka sa cikin askan kun shi da ya saba ina da diya wajen bako duka da askan ko na raine su ba ruwa na da dan raino ko yayan su basu damu da su ba in suka riga suka tahi lakol ba ruwa na aiki na nake hankali zuwan kayan zamani na matukar barazana gabar da kayan gargajiya wanda in ba a yi hankali ba ma zai kai da bacewar su kwata-kwata Fidèles auditeurs, nous avons notre correspondant au bout du fil. Allô, Mansour Alo. Alo ina kwana? Lahiya lau muna lahiya ko? Lahiya lau Mansur. To madalla ya aiki. Aiki da dama. Me yasa kai wanga rahoto Mansur? Eh abin da yasa na yi wannan rahoto na a tukam tukam saboda abu ne wanda yake neman bacewa ko in ce ma deja daga wani bangare ya bace tunda wajen neman shi ma wajen neman shi ma sai da muka dan sha wahala dan muka same shi. aha mansur eh, abu ne wanda yake da muhimmanci sosai ga yara mhm. don an sun hude yaro a sama inda ana shilla shi yaro zai ta wasan shi har ya barci ba tare da an kai shi banan yana kuka ko an ɗauke shi an yi an kai shi wajen mai reno ko abin ga inda akwai yaro wanda zai iya zama a kusa haka yana shilla shi ko mamma shi ma tana shilla shi zai yi barci tare da wannan shillan nan da yake Cina mhm. mm. can a tanut mutanen tanut suna aiki da shi sosai. Eh mutanen tanut suna aiki da shi sosai amma wannan in kamar kala biyu ne akwai wannan na zamanin da ake yi na buhu. Mm. Kamar shi ne yanzu yake neman ya ɓadda wancan kin. Wancan kin gaskiya samun shi sai kamar wurare wurare daban-daban haka kama wanda suke cikin daji su ne suke itilizan wannan na na itatuwan nan da ake yi amma yanzu galibi duka wannan neman ɓacewar unhwani da wancan kin ne ya kawo ake yin na buhu. Shi kuma na buhun yaro bai ya miƙewa da kyau kamar wancan na na buhu na na na na ainihin. Aha to mun gode sosai. Mun gode, mun gode Allah saka To da nagode nagode. Chers auditeurs, nous sommes avec euh, Soumana Amadou et dans la place euh, pour la page sport. Bonjour Soumana. Bonjour. Alors, Soumana, le championnat du monde de taekwondo qui a commencé en début de semaine se poursuit à Bakou en Azerbaïdjan. Et le Niger ne compte plus que deux représentants à cette, compétition mondiale. Oui, en effet, sur les six athlètes nigériens, il ne reste plus que <laughs> Abdulrazak Alfaga dans la catégorie de plus de 87 kilos et Aboubakar Mangegaya dans la catégorie de moins de 114 kilos. Aboubakar va combattre demain samedi 3 juin et Alfaga va faire son entrée le dimanche 4 juin 2023. Soumana, rappelle-nous les quatre autres qui ont été éliminés. Il s'agit de Nouruddin Isaka, éliminé le mardi en quart de finale, mhm. Maman Mansour Chibkou, champion national, médaillé de bronze au championnat d'Afrique de Kigali, médaillé d'argent à l'Open du Sénégal 2022 il est entré en jeu hier. Après avoir remporté deux victoires, il a été éliminé par un Mexicain. Zaraou Abdou Bilan, vice champion d'Afrique 2022, a combattu ce matin et a gagné une victoire contre une Américaine avant d'être battu par une Israélienne. Mohamed Maharana Tijani, champion d'Afrique, champion de jeu islamique, deuxième médaillé mondial pour le Niger, troisième médaillé olympique pour le Niger. Ce matin, Mahana a fait une mauvaise entrée hein, parce qu'il s'est incliné au premier combat face à l'Italien Teodoro qu'il a battu en deux rounds. Donc on ne peut que souhaiter bonne chance à ceux qui nous restent comme ambassadeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, c'est l'heure du portrait. Nous allons découvrir notre star du jour. Il s'agit d'un jeune comédien au nom de Abdul Wahab Amadou Hassan. Il s'est installé à Niamey il y a de cela cinq ans et se fait déjà déjà partie des comédiens de renom sur les réseaux sociaux. Suivons son portrait signé Fanta Alors voilà, ici avec mon beau public, faites du bruit de son vrai nom, Amadou Hassan, Abdul le comédien est un jeune Nigérien de 24 ans. Né et grandi à Arlit dans la région d'Agadez, Abdul est un passionné de la scène depuis l'école primaire où il présentait, en compagnie de ses amis, des sketchs pendant des activités culturelles et aussi les concours interrégionaux. Lui et ses amis remportaient même quelquefois des prix. Arrivé à Niamey il y a quelques années, il intègre Harka Comedy Club, un spectacle d'humour stand-up de la place. Le stand-up, euh, je l'ai découvert dès mon bas J'étais à l'école primaire, je commençais à regarder les sketchs de Gad Elmaleh. Donc j'étais déjà passionné du stand-up, mais malheureusement il n'y avait pas de club de stand-up à l'époque. Donc euh, je me suis mis dans, dans, le théâtre. C'est quand je suis venu ici à Niamey euh, par le biais d'un ami qui m'a dit qu'il y a une boîte qui produit des artistes humoristes qui est le Haraka Comedy Club. J'étais parti, j'avais un, texte que j'ai écrit, ils m'ont donné le micro, euh, j'ai fait ma prestation et dès là ils m'ont dit bienvenue dans le club et voilà. Abdul s'intéresse aussi à la comédie digitale. On le retrouve dans plusieurs vidéos de comédiens qui font le buzz sur Internet, un monde qu'il apprécie beaucoup. On fait des sketchs, on se filme et euh, on poste sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai fait la rencontre de Wanuski Montana ou Iboulili. Je suis rentré aussi dans le mouvement, j'ai ouvert euh, un groupe de comédie que j'ai nommé Timbea avec euh, mes amis du quartier. En même temps, j'ai ouvert ma page de comédien indépendant, Abdul le comédien, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook un de ses proches, encourage le travail d'Abdoul. Moi, j'ai connu Abdoul euh, à travers une émission que je l'ai invité dans son domaine euh, euh, d'humoriste parce que c'est des jeunes vraiment qui, sont en train de faire rayonner l'humour au Niger. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est bon en matière d'humour, il est bon en matière de... parce qu'il fait d'autres choses telles que la photographie, les clips vidéo et la médecine qu'il est en train d'étudier. Il est encouragé la page Facebook d'Abdoul compte à ce jour plus de 1500 abonnés. Par ailleurs, il continue ses études en sciences de la santé. Il a aussi monté une boîte de production pour soutenir les comédiens en mer. Voilà, Poursuivons notre émission Le Niger sur Kalangu avec le morceau Together du groupe Ones. us lose. Where those together, together, together. No wahala, on ne fait que des hits together. Tu nous connais dans la ville together. Where those ones they cause him together. Laisse moi mental on le kill. No wahala, together. On ne va plus les voir together. Ils nous ont pas vu venir together. Ou bien bastonner la ville. No wahala, si tu m'écoutes tu vas y Si tu n'aimes pas c'est que t'es un tabasser, tabasser, tabasser. On va devant les tabasser, tabasser, tabasser. Dis à ton marabout qu'on est encore debout. Durer la nuit, voici encore le jour. Comme d'habitude, on ne sort que du loup. On est maître des scènes, même t'es fans de la roue. Même t'es fans de la roue. Maître des même t'es fans de la roue. Et ton deux Et eh oui, le groupe de rap Onens, composé de deux jeunes Roxim et Fredo, un duo qui porte loin la voix euh, du Niger dans le showbiz international, connu à l'origine pour son style exclusivement inspiré par le rap et le hip-hop. Le groupe s'impose aujourd'hui dans le domaine de la R&B, musique urbaine originaire des États-Unis dont raffole la jeunesse nigérienne et internationale.

Together du groupe ONES. Fidèles auditeurs, c'est l'heure de la rubrique Loti, n'est-ce pas, c'est nous oui, Ruki, aujourd'hui, euh, cette rubrique sous forme de sketch parle du contrôle des enfants par leurs parents. Effectivement, la première responsabilité des parents envers leurs enfants, c'est de les protéger et leur assurer un développement harmonieux. Cependant, certains parents ne contrôlent pas les contenus que leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux et leur fréquentation. Cela pourrait avoir une influence sur leur bien-être, n'est-ce pas, Rekia Arimi et Zainab Loti, Let's see Loti, Loti, wala Wallahi farga. Hai, man gazan kai, a himano imine ifunu lakwal zagayen me. Kwai guna gingita igo fora. To, na ngai mu kwai. Heyi, ifanoni gogguni ya kinuwo. Subhanallahi, wiye sai ordinator wodini. wasi maino ne ni se nim ga fur haye wo raga guna nan gadi din baba ka kul ni gaki bisai sai fatta hey ifo non go katiwo man sai nan go kulu hmm. hayano gabun da airuma nig bai hankan ai moy zaidi marwan no goga hayya moyen guna inga ordinateur robo hey zanga mata ordinateur robo akin sai no aran dai ordinateur ifo magasi hmm. wai choraino gwanda ordinatar yan kan aka ga heni tunan di babo ga ingano akwai gida ya sai se ingamo sohon kai haya na yi ban kul haukero man gano irgaza a wani birma ga he lakkale kanandi bai haye wo kulmanti biri ma ka aran gara izeno sanninu ara himano glakkali ye iwon ga. chor food ma ye no gisi ni ba gane lokkolaira wala kuraira o me ai bumbu ai du da duma inda yizo safi aha amma ni mun bai ga sanno taise ya amma lakkalo kanan di bari gono Irkwai sikiro ki aise mata na te to ni bai ni zan kai hallasa di lakkal kana ga ba hagoyan sanga ikwai da kayan ai dai ikyorai kan iga fattan dai kwai ni mu misidirin ya hanki gite internet yi bon amma mantin din ni kankam he allah matano yi gite kero nigi be kan tine kan go hayre bon haraka wara aga sandigumu zam lokaci kulu zan kai ga ta haifo muradu ya dinga ka daran naran can tai hau o wani kulu ga ku ke sai dai matkan no ay gite matkan te ga masala wo bonza nin da ni izo to ni bai fonda hanna kan ga hima aran magana kangana aran mahagwai da aran izai da iwan internet trafur yanwu wal isi sirai inga gati madan zamani fonda kangana nim kinga hagwai di iwan ordinatorai da morai a goyo ga borimu a ganan nima haikul kan manhima internet to bon bloke a ga mo kyoro gumo diman koddo bai ban hawai ban siri kamfano ke igin fahamandi hayaya ga gai halbor gaduwa a a girbiyan hinne da nifu koyoka musannote ase ga aran masan sambu halaga ka aiga kwaiga koi raidin ordinateur din kulta ga ngan dinga kaino wana mu ai sabu choro sonno alaika laikani kaino hey an kayar ga inga tekiyar sai no choro gudu matkan ne lakalai tunani dole no me ai mai lakalai tunani choro da iza sara nyin kantin yan woni gine bo <laughs> wallahi Voilà, c'était là le lot euh, du desk femme euh, du studio Kalangu. Chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Alamine Wachar. Il est journaliste euh, traducteur en langue tamashek. Au studio Kalangu, il est là pour nous faire découvrir les contours du changement climatique en français et en tamashek. Alamine, bonjour. Bonjour. L'expression changement climatique est devenue une préoccupation pour le monde ces dernières années et plus vrai pour les pays sahéliens comme le Niger. Au Niger, souvent à cause du changement climatique, l'on assiste à des sécheresses ou des inondations. À la veille de la présente campagne agricole, nous avons voulu parler de cette expression aujourd'hui. Le changement climatique se définit comme l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. Réchauffement, ou refroidissement. Les changements climatiques désignent les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques. Il peut s'agir des variations naturelles dites, par exemple, la sécheresse, des inondations, l'insuffisance alimentaire, et etc. ذات changements climatiques يعني climatiques يمون سنرت إدقاسن الدين الكل دا تلك متني لنا هو لين الدولتين شين ساهل هو لين دا نيجر فلقنا وقنا دولتين نيجر دغت وقلن متي دزيزري نهان زازاغوا نجرين تغرتنا مدل مدخ إيجتا ننجي يعني تاتي تاتا جينا مان أوين دا فلاس دغان مي هازا انتمر تانيل دا دوبا تو تنزيزرين نهان زازاغ فلقنا وقنا المسالتين دنو غنرتن وين دي تاوي وين الموسنين الميسالين قوتنين مطيين دارت وقلن تيمرين وين دا فلاس از دين أزدين دغا دي أوا مزرين تمر يقام فلاس صفة مدى المسافة أجيت قزا توكسي ولا دغين مطي نرت وقلن تقوتنا الهوا ولا رتن وين دا تاسين الموسنين نارتن الاني نلصل المثال تغارتنا مدال يقتنا مان يبن سودار داور موسن Tanimer Alassane euh, Alamine, autant pour moi, Wachar merci infiniment. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma ou en Tamashek, en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. Fidèles auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi un espace d'expression. À présent, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. ce Sumail Mekanisiyan mechanician no tilaberi. da labari kan igiki borai se danga kwar ka kwaro ne kan borsino da har ni ma labari yakinta yakinta yakinta yakinta wadin sai no iga bai bai ma hangan watkul da gabi. O oh, da na rate mu si lamu si roga ni ga din compose ni ga hangan nin kan ga bai. Odin banda mu sigirai kigite ni kan ci ni kuli ga te Damo nigo kwarara haifo gihinga te kan ni samara da mante istijonon kalangon hangan nin mara bon ai ga kab go tere ma me gifo ay ga studio kalangu ko karo kago te ay go gafo ai go gifon ko karo ima ame de nim bo kan go bore ha ni go gede place ni go bore ha ni mo irgo gin fon ko karo Salamu alaikum. Sunana Shafi'u Karbali, ni shi sauraron Sidiyo Kalangu. Ina sauraron Sidiyo Kalangu a ƙarƙashin tashar radio Ikirawa Bande. E, shirye-shiryen nasu wannan da suke sawa shirin yare Niger gaba ɗaya yare biyar suna sa mana. Yana burge mu sosai. Kuma shirin da ke burge ni ni dai Shafi'u akwai shirin matasa wannan yana burge ni. Ina gaida Babande, akwai Haladu Ikirawa, akwai Makke Usaini Ikirawa. Sunana Hadiza daga garin Bosheri. muna jin daɗin shirin da Sidiyo Kalangu take yi musamman akan mata alman gaugawa da rashin zuwa lakwal. Ina gaida Hajara a garin Gosheri, ina gaida Baraka mai kwando, ina gaida Nana. Sai madam Halima, nous suivons régulièrement les émissions du studio Kalangu sur la Madiana FM de Durku. C'est notre seule source d'information. Nous suivons les émissions comme les informations à l'angle de 17h, -hmm. les forums mhm. et surtout maintenant le Niger sur Kalangou de 11h. J'aime beaucoup ces émissions-là, comme Loti Rose jusqu'au bout des angles, qui parle des problèmes des femmes. Sunana Fati, ina sai da abinci a nan bakin asibiti kuma ina sauraron studio kalangu ina sauraron studio kalangu musamman mu masu harkar kasuwanci saboda tana waye ma al'umma kai tana waye mana kai ina gaida yayata narba mai sai da abinci ina gaida shafa'inta shaf makwabcinmu yana nan shi ma aikin garaji yake yi kuma muna fata studio kalangu ta ci gaba da yada shirye-shiryenta ko ina da ko'ina ina musamman a nan kwanu ba ma kwanu ba har garuruwa waɗanda a cikin nijar gaba ɗai saboda gaskiya mu 'yan sana'a tana waye muna kai kware game da haka nan mu ko ina da ko'ina a cikin garin nijar a jita Chers auditeurs, euh, Studio Kalangou, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, euh, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec euh, Nafisa Adamou faut encore une fois de plus euh, pour nous présenter le journal, les titres autant pour moi, de ce soir. Alors, chers auditeurs, auditrices, dans notre édition de 17h, nous reviendrons sur les résultats de la 13e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire organisé à Niamey par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Ensuite, nous parlerons religion avec un prédicateur sur la position de l'islam sur la question des tirages au sort que font certaines entreprises pour offrir le pèlerinage à la Mecque à leurs agents. Le magazine nous amène la région de Tilaberi à la découverte d'un forgeron. À partir de 18h15 interviendra le forum de la presse pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Rendez-vous à 17h. Merci. Alors, Rookie, on va souffler encore une fois on va faire Une hein. dernière balade musicale avec euh, Fédéral Tissi. On écoute encore McFun. Biggie diggy dance set. Originality terem this glance is the ladder mercy. Yes, the man set. Bacha, she jump, jump, money bar. Chop chop, hop, hop, hop, hop. alo alo jahan wasu wasu matini ka ne da kana bana sefe sefe de la hai kai mada tun da bese mila makanda la madala ngwe mm, ya warto wala wara mana to zamba gadi do yansi calcula matematica ma pata moto mode pas, la porto in pass tira pass salera ka pele gumbe hon kuna ka ne ka kana kamana dun kora bumbu ka pei zamani ya ka basina kani nyoko nyoko la besa basa tame yo amana da ala kono now now hal ne ka to madugo zoro tulo matuno dugo matuno bus bus hon kuna bato kuna ne wono baro kula ka zegeda moto down the flow artist o masabone kamba bene honiva shop shop

Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu Vous étiez en compagnie d'Ali Munkela alias Seno et moi-même Rukayatou Abdraman. À la technique, c'était tout simplement Mustafa Yakuba et la grande dame euh, Adama Dawaki à l'édition. Bon week-end à vous.